you 11h à Niamey et partout au Niger. Bonjour fidèles auditeurs du studio Kalangou. Bienvenue dans votre émission de la mi-journée Le Niger sur Kalangou. Pour vous servir aujourd'hui, je suis Ruketov Draman avec moi, Maria Madei. L'édition est assurée par Adam Adawachi et la technique par Amina Hassan. Bonjour Mariam, comment ça va Très bien Rukaya, le programme d'aujourd'hui se passera comme suit un flash d'information de la musique 100% nigérienne, sans oublier les sports, la réplique hebdomadaire. Nous aurons également la réplique Lotti préparée par l'équipe femme du studio Kalango. Notre invité du jour porte plusieurs casquettes. Il est étudiant, coiffeur et dessinateur. Lui, c'est Mounir. Restez avec nous, fidèles auditeurs, pour ce programme riche et varié. Chers auditeurs, voici le flash d'information présenté aujourd'hui par Samira Rouafi. Bonjour, Samira. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Dans le flash info de ce jeudi 4 euh, juillet, hier, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, M. Ali Mohamed Laminzen, a rencontré une délégation de la Banque mondiale conduite par le représentant de la dite institution au Niger. La délégation de la Banque mondiale a annoncé la disponibilité d'un milliard de dollars que son institution compte injecter en 12 ans au Niger dans le secteur de la sécurité alimentaire, rapporte un article de l'agence nigérienne de presse ANP du 3 juillet 2024. Lors de cette rencontre, le Premier ministre nigérien et la délégation ont eu à faire le tour des actualités de la relation entre le gouvernement du Niger et la Banque mondiale. Selon le représentant de la Banque mondiale au Niger, depuis les événements du 26 juillet, c'est la première fois qu'une institution financière internationale approuve un projet et se félicite pour cet acquis, indique la même source. La présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brareki Germokoy, a procédé hier dans l'après-midi à la réception de plusieurs contributions des bonnes volontés dans le cadre de l'appui au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. La, présidente du comité euh, de gestion du fonds a remercié tous ceux qui ont apporté leur contribution patriotiques et les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les inondations qui ont frappé le Niger à la date du 3 juillet 2024 ont causé des pertes en vies humaines et matérielles élevées. Selon la direction de la protection civile, ces catastrophes naturelles ont fait 27 décès répartis entre 14 personnes noyées et 13 victimes d'effondrement et ont aussi blessé 23 autres individus. La région de Maradi apparaît comme la plus gravement touchée par ces inondations. Elle déplore la perte de 15 vies avec 7 décès euh, par noyade et 8 par effondrement. De plus, 12 personnes ont été blessées dans cette région, a publié Actu Niger. Les inondations ont affecté 49 communes, 31 départements et 111 quartiers ou villages. En conséquence, 1495 ménages se retrouvent sinistrés, représentant un total de 10 655 personnes touchées par ce drame. En plus des pertes en vie humaine, le secteur de l'élevage a été sévèrement impacté par la perte de 10 553 têtes de bétail, toujours par Actu Niger. Et c'est tout pour ce flash d'infos d'aujourd'hui. Merci Samira, passe une excellente journée. Merci. Chers auditeurs, pour rappel, notre invité du jour est dessinateur étudiant et aussi coiffeur. Lui, c'est Hamisu Dambarto Mounir. Bonjour et merci d'être là en réponse à notre invitation. Bonjour à vous. Avant d'entamer nos discussions, nous allons souffler la musique avec les titres Je vais t'aimer de Ali Masta. dédié à tous les hommes sensibles qui sont actuellement à l'écoute de cette émission. L'artiste Ali Masta, de son vrai nom, Ali Lawali Mahamman, est l'un des artistes qui défend les couleurs du pays à l'échelle internationale. Il réside actuellement au Luxembourg, mais il reste très attaché à la culture nigérienne. mon amour je vais direct sur les zones dénommées de nos radios partenaires sur l'émission Le Niger sur Kalangou. fidèle auditeur et auditrices, il est l'heure de retrouver notre invité du jour, Monira. Alors, dites-nous comment vous êtes intéressé au dessin. Bon, du tout début, je me suis intéressé au dessin parce qu'il y a mon frère qui faisait le dessin. Je, l'appréciais, j'appréciais ce qu'il faisait. Je me suis mis comme ça, sans son autorisation. J'ai essayé de, de de faire un peu du dessin. Quel genre de dessin faites-vous Bon, je fais des dessins, mais je me suis intéressé à présent aux dessins hyper réalistes. Ce sont des dessins qui, qui reflètent euh, la personne qui, dès que vous voyez, vous êtes captivé. Hmm. Vous êtes captivé par le dessin et c'est tout. C'est ce qu'on appelle le portrait Oui, bon, hmm. c'est différent. Mhm. Les dessins euh, réalistes, euh, hyper réalistes plutôt, c'est un peu comme le portrait, mais ça reflète en fait. Quand vous voyez, vous sentez vraiment que c'est un dessin, c'est comme une photo. Hmm. C'est différent. Euh, hmm. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes intéressé plus aux dessins réaliste. Mhm. Avant, vous faisiez quel genre de dessin hmm, Je faisais des dessins assez basiques. Des dessins comme ceux que tout le monde fait, les dessins au crayon de couleur, comme ceux que font les enfants, des dessins au bic et tout. Et là, c'est différent parce que il y a, y, a, le travail, il y a, y a, les détails qu'il faut que vraiment ça sorte. Hein. Du coup, c'est ce que je peux dire. Hein. Euh, j'aimerais bien savoir où est-ce que vous trouvez votre inspiration. Bon, je, je suis là. Si quand je vois une photo, sur, sur sur Facebook, comme c'est là, je fais mes publications, je vois une photo, je suis captivé. Là, je, je prends mon stylo et là, je me lance. Alors, dites-nous, quand avez-vous commencé exactement à dessiner comme je l'ai dit, j'ai commencé depuis enfant. Quel âge Bon, je peux dire mhm. depuis le CI, six ans comme ça. Mhm. Je faisais des dessins, mais là, je me suis perfectionné vraiment en 2019. J'ai commencé à un peu toucher le dessin réaliste et tout. Et euh, le dessin, c'est une passion une, une passion pour vous ou bien c'est une chose euh, que vous aimez un peu qui a qui est, devenu passion. C'est une chose que j'ai aimée, qui est devenue passion. Mm-hmm. Parce qu'avant, je faisais ça juste pour m'amuser. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça du professionnel mm. Et maintenant, quels sont les outils que vous utilisez le plus pour faire euh, vos dessins réalistes Voilà, j'utilise les crayons graphites. Comme j'ai l'habitude de le mentionner dans mes publications, c'est le crayon graphite. Les crayons graphites sont des crayons comme le, les HB, mhm. les 2B et autres. HB, ça veut dire. Euh, c'est en anglais. Mhm. Ça veut dire euh, quelque chose de dur, mhm. quelque chose qui éclaircit. Et c'est ce que j'utilise pour essayer de, de, faire sortir un peu les détails, donner la forme euh, du visage et faire sortir la, vraiment, comment dire, le, le fond de teint. Mm-hmm. et faire en sorte que vraiment ça ait l'air un peu vraiment réaliste. Mm-hmm. Et, et j'utilise aussi le bic mm-hmm. pour essayer de donner un peu de couleur. Mais là, pour le portrait, là, j'ai utilisé du crayon. Mais souvent, j'utilise les bic et, du crayon graphite. Je vois ici, je sais pas, le chapeau ou le béret, c'est en bleu. Ah c'est de la peinture que vous avez utilisée. Non, non, c'est du crayon. C'est du crayon. Oui, c'est du crayon. Ce sont des crayons graphite. Comme mm. je l'ai dit, ce sont des crayons vraiment très durs. Quand on applique bien, ça sort comme de la peinture. Mm. Et ça donne vraiment une ressemblance. Et est-ce que vous trouvez euh, ces outils-là euh, sur place au Niger Bon, les derniers outils que j'ai eus, ça a été transmis par un ami qui mm-hmm. habitait à Cotonou. il m'a fait ça comme cadeau. Il m'a envoyé ça, c'est ça que j'ai utilisé, mais là je suis en rupture de stock. Mais ce sont des, crayons qu'on ne trouve pas facilement ici. Avant de poursuivre cette émission, voici pour vous Akher Zaman de Bambino. Car Bambino chante le changement de la vie, tous ces bouleversements qui changent le mers et le repère de la société. Dans ses compositions, Bambino chante la paix, l'amour, mais aussi les turbulences de la vie, notamment la sienne. Après cette belle sonorité de Bambino, fidèles auditeurs, nous allons entamer la deuxième partie de nos discussions avec euh, Mounir Dambarto. Euh, je rappelle que vous êtes coiffeur, mhm. dessinateur et aussi étudiant. Oui. Comment vous, vous, euh, vous, arrivez à joindre, à gérer tout ça là, oui, les trois Ok, comme, bon, le, le fait d'être étudiant, bah, j'ai un peu oublié ça parce que vraiment c'est compliqué Abdou Je, je n'arrive pas à, joindre les deux bouts. Mais le fait d'être coiffeur et dessinateur là, ça peut coller parce que quand quand j'attends, j'attends les clients pour, euh, je profite de ça pour, pour faire mes dessins. Je donne mon temps, je, je dessine là. Quand j'ai un client, je dépose, je continue. Mhm. Alors, dites-nous qui achète vos dessins Qui sont vos clients Bon, j'ai pas trop de clients, mais quand même avec euh, l'application Facebook, euh, j'arrive à avoir un peu de clientèle. Hmm. Et comment vous procédez Et Vous prenez, euh, la personne va se présenter devant vous, vous le regardez en dessinant, mhm. ou bien vous prenez juste une photo et vous regardez, vous dessinez. Et ça, c'est un autre level. Le mhm. fait de, de dessiner en, en présence de la personne elle-même, mhm. c'est un autre level. Mais quand même la personne envoie la photo. Pour, le, pour l'instant, c'est ce que je fais. Je l'envoie la photo et je dessine. Mhm. Euh, je vois que sur euh, l'image que vous venez de nous montrer, les détails sont respectés. Mm. Mhm. Est-ce que vous avez euh, suivi une formation quelconque pour vous perfectionner Bon, je ne veux pas dire que j'ai suivi une formation, mais quand même, j'ai suivi des astuces. Il y a des dessinateurs, des grands dessinateurs comme euh, John Hart. Mhm. C'est sur Facebook. Euh, il y a Maël Feroz. Euh, c'est celui que j'admire en fait. Mhm. J'ai vu ses dessins et, et aussi Ahmed Guissa. Ah vous voyez, ce sont eux que je suivis, j'ai vu leurs dessins et je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer aussi, je vais faire pareil. Et de là, je me suis lancé, ça, ça s'est venu de, de soi-même. Et dans la première partie de nos interventions, vous mhm. avez euh, ajoutez que votre grand frère même est dessinateur. Ah Donc, euh, il vous aide de temps en temps. Comment ça se passe <laughs> <laughs> Entre moi et mon grand frère, c'est pas vache, on se pas la peine. Hein. On s'effleure seulement, c'est juste que vraiment, je l'admire d'une façon vraiment. C'est un peu complexe notre, notre truc à nous. Mhm. Mais quand même, on ne se parle pas, il euh, ne me donne pas de conseils. C'est comme je l'ai dit, je me suis perfectionné seul. Vous êtes autodidacte. Mhm. et Est-ce que euh, ces dessins sont accessibles à toutes les bourses est-ce que c'est cher, moins cher Je sais pas. Oui, pour l'instant, c'est moins cher. C'est pour ça que j'ai mis. Ah, pour l'instant Ah, pour l'instant, c'est <laughs> moins cher. C'est histoire d'avoir un peu de de clientèle et de me faire un peu connaître. Mais quand même, le dessin, si vous voyez, les cadres achetés tout, vraiment, ça demande beaucoup d'argent. Ça demande vraiment de l'investissement parce que je perds du temps, du temps et de l'énergie. Parfois, comme vous l'avez dit, hein, je fais ça au salon. Quand je, je descends, je ne travaille plus. Mais hmm. tout, je fais ça au salon. Est-ce que vous arrivez à, à gagner dedans oui, ça arrive. J'ai un peu de clientèle, mais c'est rarement que je trouve de la clientèle. Mhm. Mais j'essaie de vraiment faire en sorte d'avoir beaucoup de clientèle, de me faire connaître. C'est l'objectif premier, de me faire connaître et d'avoir vraiment un impact sur les gens au Niger ici. Mon objectif, c'est vraiment toucher les Nigériens. Et je ne vais pas faire de l'international, je vais faire juste euh, des portraits. Mais quand même, tu arrives à avoir des clients. C'est quoi la première photo que tu as fait que les gens ont vu pour qu'ils pour te contacter et tout Oui, c'est la photo de Algumaret. Il y a un ami qui m'a dit que non, je parle souvent de Oui, c'est Algumaret, euh, la photo d'Algumaret, euh, la photo qu'il a postée. Les gens ont vraiment aimé, il y a vraiment eu trop de vues. Les gens maintenant, même quand je passe en ville, ils me disent euh, c'est Mounir, il fait des dessins, il faut me dessiner des trucs comme ça. C'est Algumaret, c'est la photo de lui. <laughs> D'accord. Euh, alors, Mounir, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci aussi de nous avoir honorés de votre présence sur mm. l'émission Le Niger sur Kalangou. Mm. Passez une très belle journée. Mm, merci beaucoup à vous de même. Donc, euh, fidèles auditeurs, nous allons observer une courte pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Fidèles auditeurs, c'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire de ce jeudi 4 juillet 2024 et nous sommes avec Ousmane Mamoudou, il est rédacteur en chef adjoint du studio Kalangu pour parler de 110 nouvelles langues que Google ajoute dans son outil de traduction. Oui, Google a effectivement annoncé l'arrivée de 110 nouvelles langues dans son application Google Traduction, n'est-ce pas oui, exactement, Ruki. Bonjour à tous. Donc, c'est une annonce qui a été faite euh, récemment. donc, euh, euh, il y a le, une personne qui travaille pour, pour Google au Ghana qui s'appelle Abdullah Diak, qui a donné beaucoup d'explications à ce sujet. Donc, il explique que l'histoire de ce projet a commencé en 2022 lorsque le responsable scientifique de Google AI, donc Google AI pour euh, intelligence artificielle, annonçait l'initiative de traduire plus de 1000 langues les plus parlées au monde grâce à l'IA. Donc ce projet utilise Palm 2, donc Palm 2 qui est le modèle d'intelligence artificielle de Google qui sert à beaucoup de choses. Euh, mais aussi celle en voie de disparition. Donc, c'est un outil qui va servir euh, à faire de la traduction automatique à, euh, il, faut qu'ils soient entraînés euh, à traduire, par exemple, du Hausa vers le Zarma. Et donc, ça nécessite beaucoup de données, mais malheureusement, il n'y a pas. Euh, on a très très peu de données pour nos langues qui sont disponibles aujourd'hui sur Internet. Alors, dites-nous pourquoi il y a si peu de données disponibles pour certaines langues, notamment africaines Alors, en fait, plus de 40% des données en ligne sont en anglais, moins de 4% euh, en français et les langues africaines ne représentent que à peine 1%. Et donc beaucoup de langues sont parlées, mais pas forcément écrites, notamment chez nous, ce qui crée une barrière significative euh, pour entraîner ces modèles-là. Or, pour qu'un système arrive à faire de la traduction, il faut l'entraîner sur une grosse quantité d'informations relative à son domaine d'application, donc qui peut être la traduction, comme euh, euh, le cas aujourd'hui, mais aussi d'autres domaines comme la santé ou l'économie. Et Ousmane, est-ce qu'il y a des langues parlées ici au Niger dans cette euh, mise à jour alors oui, effectivement, parmi les 110 nouvelles langues ajoutées, il y aura du Peul, du Kanuri et du Tamachek, qui sont toutes parlées au Niger. Donc globalement, cette mise à jour va toucher environ 600, 600 millions plutôt de, personnes euh, à travers le monde. Et il sera par exemple possible de prendre une photo d'un texte, par exemple en tamashek, et euh, d'obtenir une traduction instantanée via Google Lens, donc l'outil de Google qui existe déjà sur nos téléphones. Bien que la plupart des langues euh, ajoutées soient actuellement disponibles uniquement qu'en texte. Alors, Ousmane, jusqu'ici, la traduction sur certaines langues africaines n'est pas optimale. Comment Google compte-t-il s'y prendre pour améliorer ses outils Alors oui, en effet, ça fait déjà très longtemps, enfin un certain temps déjà que euh, la traduction existe dans un certain nombre de langues locales, dont le Hausa par exemple, qui est parlé au Niger. Mais les résultats sont vraiment loin d'être satisfaisants aujourd'hui. Tout le monde a fait presque le test pour ceux qui utilisent ces outils, euh, Google n'arrive pas du tout à faire de la traduction en Hausa, même si ça existe depuis des années. Donc, Diac insiste sur l'importance de la reconnaissance vocale et la compréhension des accents, un domaine où Google continue de travailler intensivement. Alors, cependant, il reconnaît qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour que les machines puissent parler. Alors, je me parler entre griffes, et comprendre aussi entre griffes ces langues de manière fluide. Et comment Google procède, procède pour résoudre cette problématique alors, Google collabore, par exemple, avec l'Université du Ghana depuis presque deux ans pour ouvrir des données à tout le monde, permettant à n'importe qui dans l'écosystème de construire des modèles d'intelligence artificielle et des applications utiles à la population. Il y a aussi les retours des utilisateurs comme vous et moi qui sont très très précieux pour euh, améliorer euh, la qualité de ces outils-là pour Google. Le travail des, communautés, le travail des chercheurs, le travail des linguistes est également essentiel pour mettre en valeur les euh, langues africaines et réduire les barrières linguistiques au niveau mondial. Il faut aussi retenir que Google, en fait, il n'est pas le seul acteur euh, à travailler dans ce domaine et que le monde du logiciel libre regorge d'initiatives de traduction dans nos langues africaines. Par exemple, euh, vous pouvez trouver plein euh, de modèles disponibles euh, gratuitement sur euh, une plateforme qui s'appelle Huginfest. Il y a du Hausa, ça peut faire de la reconnaissance vocale en Hausa, c'est très pratique. Merci Ousmane pour ces précisions et à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Chers auditeurs, allons pour une autre balade musicale avec les sons Asin de de Fadi en featuring avec Ado Gonja. They seen tali, didn't they won? I seen the tali. Penny bontine, quaking bon fali. Quene masichine, nigga te bunny. Ah. Nigga ba one, nigga bani bon Nigga from the cheben, sikala, hang Sunday. Isi masani, si hangan bor kulse. Si hangan bor kulse. jour va falloir changer. Eh. Pour le balita, pas de l'indépendance. shiru da ba ni na yi ba ni na gani amma ba ni na ci ba duk dadin goma ba ta kai dubu ba Canji da macanka hannu da madauka doshe da madoka ya kaifi da mayanka komai haushin su da mu kai komai gabar su da mu dole su kyale mu mu sha daɗi Allah ya dali, the dali. Where you gon' folly? When I'm sitting there, nigga, te vania. Nigga, bow, one, you see, bunny, bone, one. Iga fonda chebe ni sekala hanga Sunday. Nisi masani nisi hangan bor cool se, se hangan bor cool se. Un jour va falloir changer. C'était le morceau Asinda de Fadi en featuring avec Ado Gonja, qui on passe directement à l'écho de région. Oui, Mariam est cap sur Difa, la capitale du manga, pour parler du métier de blanchisseur de bonnets traditionnels. Goni Ali, un natif de Difa, travaille comme blanchisseur indépendant de bonnets homme afin de subvenir aux besoins quotidiens de sa famille comment il gère son travail et les défis auxquels il est confronté. Écoutons l'entretien qu'il a accordé à notre correspondant Guidi Abdurrahman. ne wani irin hulluna kake wanke hulluna kala kala ne akwai kinde akwai yaudi akwai kurrata kai har ma da a haye wannan wankin hulan da kake yi kamar za ta kullum ne kake yin shi gaskiya in ka lura yanayin garin ba kullum ba ne nake yin shi wataran wataran ne yau in yi jibi ban yi ba gata in yi abin da ya sa dan saboda wani lokaci ba na samu kayan aiki isasshe wani lokaci na samu kayan aiki ma babu a lokaci ya kure man mutane in sun zo na yi musu foran da don saboda dukkanin wannan abubuwan nan hanyar ba samu kayan aiki ba za ka iya gaya mana kalolin wanki da kake yi akwai mai gilas wanda har in kasa ko madubi ne ake cewa da hausanci mm. kamar madubi wankin da in ya samu wanki mai kyau akwai normal akwai mai walkiya wankin kala uku kudin wankin nau da nau da nau duk gudun sa bai wuce dubu guda ba mai gilas da ake kiran shi din mm. shi normal ko dari biyar za mu karba sama da dubu daya dai har ga Allah babu to yaya kuke yin wankin eh to na farko in an kawo hula za a tambaye sunan shi za a rubuta cikin fulan na biyu zai dauke shi a foto don gudun karya bacin na uku mu sa shi cikin roba mu auna shi kan nashi sannan mu zuba ruwa sai in ya kwana tukuna sannan mu wanke bayan mu wanke shi kuma sai yara su je su siya karo su dawo sai mu sha shi kuma mu shanye shi ya bushe sai in fesa shi halko kuma an sa shi cikin turmiyan kolin da ake kiran shi wannan sai in yi gugan shi abin da ake sa mai sunan shi a koli kwari kala kala eh kwari kala kala ya kai mutane ne kawai hmm. da kala kala amma dai har ga Allah korin ya yi mana karanci don saboda mutane sun zo wani ya ne korin ka babu ya ne kayan aikin ka din ma bai ishe ka ba ne kuma yaran da suke bukata din ma kafin ka samu wannan kayan aikin ma sai ka kashe kuɗi diyawa gashi kuma kai mai karaman karfi ne yara kamar nawa suke aiki a kasan yara dai da wanda suke aiki a waje na ya kai guda uku yanzu dai bai wuce guda biyu shi abin da ya sa wani lokaci aikin gashi nan yana zuwa wani lokaci baya zuwa ba ka ce babu ba wani irin matsaloli kake fuskanta cikin tayin ka. eh to matsala dai guda biyu na farko dai har yanzu ban samu in zauna waje guda in yi aiki kenan waje na biyu kayan aiki na uku ba ah, shine rashin jari to za ka iya ba ma matasa horo ka koya musu wannan aikin zan koya musu sosai ko mutum dari suka zo ma in kan abu wannan ya zo ya koya ya je ya bude shi ma wani waje dan aikin hannu wannan ba wani aikin da ya fi shi a duniya nan musamman ma kai mai karamin karfi ne wannan aikin wani amfani yake baka eh to alhamdulillah wallahi na samu amfani dan saboda wannan aiki nake yau ya kai sama da shekara goma a cikin shekara goma nan na samu kare na siya na yi arme har yanzu ina rike ah, matana da uwa bayana cikin shi wani fandi in ka duba wani yaro kwata-kwata baya son sana'a shi wannan abin da nake kira matasa dan Allah dan annabi su tashi su nemi sana'a yanzu in ba sana'a zama banza wannan bata jara kuma ire-iren mu matasa irin mu wannan idan mun zauna a gari mu sani fa in shekaru ya tafi mu ne manyan anguwa kar mu raina sana'a Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, auditrices, nous poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou avec du sport. Assoumi Gourza est notre chroniqueur sportif du jour. Il est là. Bonjour Gourza. Bonjour qui Bonjour Mira. Bonjour Gourza. Merci. Alors Gourza, l'équipe de la, de la garde nationale est championne du Niger à deux journées de la fin de la Super League du Niger. Oui, hier, les poulains de l'entraîneur Cheikh Omar Gabate ont obtenu leur titre grâce à leur victoire 3 buts à 1 devant les Bleus de l'AS Douane. L'équipe de la garde nationale confirme ainsi sa suprématie sur le plan national en remportant deux fois d'affilée le titre de champion du Niger en 2003 et voilà 2024. Leader du classement avec 70 euh, points à deux journées de la fin de cette Super League, vous venez de le dire. 31 matchs joués, 21 matchs gagnés, 7 matchs nuls, 3 défaites la garde nationale, va donc représenter le Niger dans le champion slate. africaine. a parlez-nous des autres résultats des rencontres de cette 33e journée de la Super League du Niger. Oui, Rookie, hier, l'équipe de l'ASFAN a battu l'OFC, l'Olympique FC de Niamey, sur le score de 3 buts à 1. Les deux clubs de l'Aïr, Akokana et Urana se sont croisés. Victoire de l'Urana sur le score de 2 buts à 1. Match nul, un but partout entre la Nigélec et le Liberté. Tagour provincial de Douceau à concassé le sel de Niamey sur le score de 3 buts à 1. Le Zumunta a été battu par l'AS Police sur le score de 2 buts à 0. À Zender, l'espoir de Zender a battu le Jean Gorzo de Maradi sur le score de 4 buts à 3. Au terme de la rencontre, notre reporter a tendu son micro aux deux entraîneurs. D'abord, nous allons suivre l'entraîneur de l'espoir de Zender qui, malgré sa victoire, n'est pas du tout satisfait. Vraiment, c'est une victoire qui nous fait vraiment de la folie et non de la joie. Ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et vraiment, on est très content de cette victoire. Les joueurs, vraiment, ils ont très bien joué, mais très malheureusement, vous-même, vous avez vu le jeu. Seulement, moi, je n'ai jamais joué un match qui m'a énervé comme moi aujourd'hui. Parce que ça ne m'a pas plu. C'est vrai, on a gagné. Mais les joueurs n'ont pas pu vraiment faire ce qu'on veut. Mais c'est quand même euh, bon. C'est notre pensée comme ça. On ne sait pas vraiment maintenant comment il y Liberté qui est en faillite. Donc euh, c'est ça qui va nous faire vraiment euh, encourager aussi vraiment d'être vraiment resté. Voilà, c'était la Boubacar Maman di Zico Morino au micro de Ali Keita. Suivant également l'entraîneur de Jean Gorzo de Maradi qui reconnaît que son équipe Adela des Salifou Kimba, toujours au micro de Ali Keta. D'ailleurs, même c'est ça même le, défaut de Jean Gordo parce qu'on n'arrive pas à marquer de but. Sinon, on a un bon milieu, la défense assure, mais au niveau de, la finition, on a des difficultés. Et c'est ce qui fait que sinon, dans le championnat, on a le meilleur milieu, mais malheureusement, dans l'attaque, là, parce qu'on euh, n'a pas un neuf, chaque fois, c'est les, les excentrés, c'est pour cela. Donc, c'est les excentrés seulement qui marquent des buts. Donc euh, au niveau de la finition, vraiment, euh, on a, failli. Mais on va continuer à corriger d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. On va corriger euh, les lacunes qu'on a dans, le jeu. Oh, Inch'Allah, Inch'Allah c'est le souhait de, tout entraîneur. Donc on va jouer à domicile contre la Kokana, Inch'Allah. Donc on espère que si Dieu nous donne la chance de gagner, bon, on va remporter. Voilà, c'était euh, l'entraîneur euh, de Maradi, Jongorzo Salisu Kemba, au micro d'Ali Keita. Cette victoire de l'espoir de Zender permettra d'ailleurs à l'équipe de se maintenir en Super League pour la saison 2023-2024. Pour le classement, cette euh, troisième journée, la Cigare nationale occupe la première place avec 110 points, suivi de l'AS Fan 107 points, l'AS Nigelec troisième avec 58 points, la douane occupe la quatrième place. Dans la zone rouge, nous avons la JSC de Tawa 15e avec 29 points, Tagour de Dosso 16e avec 26 points et Akokana ferme la manche avec 24 points, 17e de la Super League du Niger. Voilà, Ruki, voilà, Samira. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. C'est Maria. <laughs> On passe directement au portrait du jour. Le portrait d'aujourd'hui nous amène au bord du fleuve Niger. Là-bas se trouve la télé des Ibo Mankela, un piroguier. Il fabrique, répare et conduit des pirogues. Notre reporter Omar Hamman nous dresse son portrait. a awone goydogo isa isace soga goga gurfa gammartonga nde pontiyon yari zibbo mum kayle kan ne sebu ga kokaro ga duga hifoga sandi wane mo a mantikala hino bundu bundukira sebu nangoyo wo tubuno awone a anir famandi mate kan anagoyo wo sentinda aywo ayman jinga sentinda kal no jinga sintinda kanca bande ber ka ambaliya kara ambaliya bande son ne wore hibiyar gama sin hundi oyin sintin kason jiri waran zakin dubu me watin gidi ba bai wahi hibiyar no kan se ke gete wodi ni ga din da zari ka ga to hiyodin dumo ben hiyodin mo yaka ka wato kan ai baban hiyoyi dai izen ai mo ai ka sintin ka goiden dengiga Bakan sende sijan zibo mun kaila agoga tama gadu gine tijiyon kanganan wani izaira amdu borkan na tubu hite yon fonda wora. Wallahi go sanda ke go dia de kati masino kan se se kan gi gago ga. de da man tuwo din wai shiri di sende ku zamai go goi ai go do wona wo gi windo jere. Eto albora suba si den na go yona ni gonda ni zankera won kangan tubu. ai gonda ifo de ne be kango ke aghin kahika aman toy no kabodi amma agode fondara hi teyon banda zibo ga hi hihense sumaila amanti kala sokole bor kango isa chesoga kambe ga hense ado ane kan nga ma a goyo kani walla albora agoyno ayo hi ka hense se bombo isinda me ane hi carful aye ka hense hense mo agoyno donc angal bora imta se se de ngo an ngitele sirga anti danga hal ine ine no woler fo mo kan sa go ne ga babu ir er ga bamu go ka te se kulay mun be kana mante i karyon ga go no wallahi er ko ma ana wonal barka inde da salam heri karimu wo fandara zibbo mum ana kware kango isa wo windi gumo irkoyde go wodi woodi mona goginga woni almayalow yarinda Merci Omar Hama pour ce portrait, chers auditeurs, et notre tour à musique avec les sons de l'artiste au base depuis Agadez qui nous chante Ekas Ekas qui veut dire applaudissez. Another thing you tell me concern كان نسغت شيدا غسان قلت اللهم اخلك ديقلان ارنا كوار كوا ديولان ولا الجين نصراد نصان لسين قلو زندش النانا هاي قاسم دسي حد تنفان تلو دمنا مقر ديلان في تبتلاتي لسمدان ويمك انا نعطي بس اصلا بفوسي ريولا تلبنكي نقاوص لو ينغان درو تنكنتي تليلان تهور الترا يلا يسان تسانا سانا كيل سكين فان ما تكنا ورطون كيرا ما تكنا ورطون الجماغة ذاك اللي يربان كان تقول موسيقى في قال تبع شي ترى السقس انا ماني درهم ماني انت ما جاك تمداد لك تقرا شي تر وتغراد تغر وتكتبت فينا تقات النية تاتي تنفان تاور نلتفي جاكرا دمدان ارادا سقا وادي ينفان غير غاسي سلمان سيمي كركرا للشي شام بعد زاني بتهوزن كي يقلال مجيدي مقردا كي ينغان تنيل سدون انك فران يباجي غصفنك دي يقلان اقينا مكان الكزولان وفي غاسي ياسس انت مكار صورة في غدا للعصور في غدا لن wayo karanta jatinto karan dingi wayo karanta gazoto karadanan لكني دانا غازورنا لا تنفض قسمة قسمة تعتصنا السنة أتفر السنة تقيمة جديدة أتفر السنة تقيمة قرمة برا تانا تانا أستتارو تدو كم دبان أستتارو تدو كم دباتيرو كي كنا صنتكي باكي صن أيفوا تركتي ما غنم منغزا صبر رب ما غنم ماجنا لأو بس نكي ما غنم كي بقى أم بقى بانا صورم بقو انت كرفيك كيني تقارونك بقو zubar da bamin da bai sarrafa أيوة c'était le titre Heka Sekas <laughs> de l'artiste au base. <laughs> Il est temps pour nous euh, d'aller au loti du jour. <laughs> Aujourd'hui, le sujet qui va aborder le loti, c'est à propos de certaines femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tout le temps absentes de chez elles ou à, à tort ou à raison. Oui, mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie. Écoutons cette discussion entre Fanta Shamsou et Samira Rouafi. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey, Matsukiji. Salamu alaikum. Salamu alaikum. ba dai ta ta sake yi ba ita wagga yarinya. Ah. Waye can wai gani nan kusa. ka ce babu hanni. Yaki nan. Ah, ya yayi rakiya. Ku ne yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iska. Eh ni in ce, wai ke Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. wannan ne karo na uku da nake zuwa gidanki amma kullum baki nan haba yaya ban yi nisa ba wannan da nake kusa gidan makwabciyata ke baki da gida ne ko kuma hinki gida ta yi ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta to nan ga wallahi kadaici nake ji sai ina zuwa gidanta dan in ga lokaci yayi saurin hucewa ke halima wallahi ki zamna kurum wanga hali ba takala ce ba kadaici to ina ta yi ki sai da take yi a'a wallahi akwai ta to don me zaki barin gidanki hakan ga ki kama hanya ki ta gidan wata ki wanga ko a addinance babu kyawu ba a hana kyakkyawan hulɗa tsakanin makwabta ba wani gaisuwar ina wuni ina kwana ke ha abota kwarai takan iya kulluwa tsakanin makwabta amma ke abin da kike yayi yawa ne ita makwabciyar nan taki ban taba ganin ta nan gidanki ba amma ke kullum kina gidanta abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa mm. yaya ni ho ban taba matsa mata ba saboda wa tsaki shi ko ho mijinta ya zo ha in ya zo da ranar cin abinci ɗaki suke shiga ni wasu in zauna wa falo ban shiga ban bin su cikin ɗaki. subhanallahi halima mi wai ke yarinya ga lahiya kiku wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki ina ki dawo ɗakin ki a'a zama tsaki ma wai su su shiga ƙurya ke kina a ke kun kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa na ke ce ƙohorwance wannan shi zai bata miki suna kun ban san juna haka ne ake fara wani kananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso mu kanki zunubi banza banza haba yaya ba mu hoyin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake shin ina a gida kun miji na bai zawa da rana sai da dare yake zuwa sai ma dare ya gaba kenan ina zuwa gidan ne mu ini ina dan taya ta aiki kuma in ta yi girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take a yarin yaga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kamar kowace mace kwarai ba to kin san da yake kaɗaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki ya zo da kaina zan ce mishi ya dirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan dakin za a share a bata ke da ci kuma shikenan subhanallahi gakiya wayo ina nufin yaya yaya ku bar min waga fata dan Allah dan annabi daga yau shikenan ba zan kaga zuwa can ba insha Allahu yi alkawari a in ma kin gyara ai dan kanki ne tunda ni na tabbata waga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta hode shi akan ki sai ke kama kanki dan ke mamaye mata rayuwa wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wan gazancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗaki na kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gahora saboda matsatsin da na yi ta mata to ko kefa idan kunna ya ji dai an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma ruwa kishirwa nike ji to yanzu yanzu haba ko kefa amma a ce kullum kina kohorwa na kohor wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida shirman duniya da irin wagan takala C'était le loti offert par les desk femmes du studio Kalangu. Merci les filles pour le conseil. Chers auditeurs, passons à présent à la culture linguistique avec Omar Hamma, responsable du desk Fulfulde, qui va nous expliquer le mot coopérative en Fulfulde. Bonjour Omar. Bonjour Mariam Adey. Bonjour Rukeya. Bonjour Omar. Vous allez bien Ça va très euh, bien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, notre euh, mot à deviner, c'est sur la coopérative que je vais expliquer en Fulfulde. coparative ɗum hunde noon ko laati nimɓe hawtuɓe jikkuji goti kawrata wadde dow fi golle goote hano ko darta filla arsuku mumen mane hunde mumen fina tawa e adaji mumen goto o hano hunde noon ko laati koro majjum woni hawritidde wadde hunde dande worre hawrude jawdi gandurwi didde arande fuu e talkaku e fawade joni kotta taɓe nimɓe fu garti gotel ko wala heederan heederan ɗum tabintinan du fawarde joni ko mbiten ɗo endan hano keƴoran ñamri e durwididde e sukaɓe weelaɓe ndenne hunde ko wiite coopérative no hunde noon ko hawta gollida o gam hawrude ceede kowattataɓe muraduji nimɓe fuu kumtake e mballodira hano ko wattaɓe ɗum suɓay maane na maane hettiniɓe dande studio kalangu ɗo woni to min kantiti hannde yewtere amin dow filla halde dow ɗemgal fulfulde e haalaji goɗɗi firtude ɗum ko woni mana muɗum noon eɗen eela jon kambo e leydi hettinayi jeɗɗire waronde to min gaddanta on goɗɗi kasin firtude e fulfulde merci au revoir ah c'est tout omar <laughs> merci aussi et au revoir alors, fidèles auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez surtout pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64. Écoutons à présent les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Aimable sa i kwara e go deta session negte de lipi keyo wallahi studio kalangu labare no il sigdi ara tal kul radio de no kang labar no gumo chin kul kan numara ni hink ba labaro mo no gudwa kalangu bore won sigira bonde tir kalangu bore fon go ko karoki gote ir ko mal bargda won rajaga ir ko ma kod goyodi jina ir gonda fami yon tera donc e kukanta fami bel kala nodin tera futan kwara ega ha ese egi fo egi bana nesa imo e kukanta fada pressing boro ega fo ega ban ha irko kanir ke baram siya yes dangir se gabera studio kalangu bore bu momo kango ke ote irga ibarkan jir beryo irko mi di seg tonto ay ma ci abdul rahim hassan ay wo mantikal sai furtejino ay go sai nda gore donc o ka egite ba funara ci ay go structure du jeune yara studio kalangu dai irin waka irin gwanda sai dai mantikal sabino gina pour commencer parce que studio kalongo ago go kungiyar kan ga borno labari labari kan ga dahirante dahirance labari kan ga te parce que information kulki gano information no kan gwanda fiabilité information no kan igi vérifier karwa tikino kon constate i dahiran wallahi information information da hirantano kan fulbor ou hirantano watani il iga partager si ro kono information kulka irdu studio kalongo da sabu kuku fo wala sikka fo ni mane ne wa partager irga de kan sai une information fiable parce que source kan do aga fon c'est aussi une source fiable kan ti studio kalongo mbo dinga bonko on kan ka wadin igonda eh, émission yen kai igite par exemple tous à la fada du samedi iro jeune no irga suivre gumo kan ka wadin ay eh, je le suis sur facebook tame kan bo igfa kare da émission yake igite ikane c'est surtout sur le changement climatique là actualité bon mo a kan goci ibore no labari par exemple sur la an Ukraine wala hakin ge man dade une actualité mondiale asito bor dodo ka kawye bore kai yamman chowo ko studio kolongo à travers a wana page Facebook à travers a wana émission ngai gite langera en tout cas yau gobe dai kai gati zarmiki ne ku bore kul kay mundu kolo mu kan gaban bangi mundu labarai kay yi ngama zarmiki ne igo gudu labaro de donc je pense que na fukul mambi bisa wani ba bore wodi mai studio kalongo gimil de danga dan kambur ko gudu na registre wala kanga yimman dadin donc vraiment irga ba de la mesure du possible mingi campagne de sensibilisation yanti pour que public ko bumbo faman di sai ifuga ti studio kalongo mat fani ni créer ifo na gati a wani mana ifuga ta wani murade kay yanga agoga te kwa irga ba wadi kan na ka wodin emission yake ugate jeune sai iga ba amma ba su mo ko ne me kun constate ge gugun di emission kan gana jene me a même participer kan man tiradi a hinna quoi par exemple digi hinga kanango e kange série de comment on appelle ça dangane mat kan fakaro de kirgo gace dumo digi hinga tonton quoi en quantité en qualité imate de le mois bon nombre de fois quoi a gana bu kul in participer ima intéresser studio kalongo a wana sigirega wallahi ayo bore kan ay ga bayin fo ga bagumo a go'ira burgina kai tunanin da fati kan goga mi gare ga ai mandirin yin mushaibu mamudu kan ga ti danga radio tafuwa wani station wajin borano ako da fati wallahi goga sabaran si da radio tafuwa bore me ami me dai studio gubun bu kan nan hunkuna kunai goga ginda faru gudu gufa kare kwa irko maran berandi irko mirnan charsi Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Yes, Salaman, original was Nas, yes, Salaman, Grave sur le Kimekwanda 2002, yes. Dingiza, dingi dingiza, mawaza wa Le me fonda. Dingiza, dingi dingiza, mawaza va, kuja magoro gama. Sebe se gano wa Le Yes, dingiza. Give me now. My wife suffer. Hey. Go jump, go to go, ma. Hey je veux c'est qu'on sont là, les sont là. je me prends la Ça des was, was, nigga, was J'ai choisi ma voix, against la communauté de C'est qui se sent pitié, flot, mange, lac de clichés. Ne songe qu'à faire de mal en emportant dans ma société. Homeboy, we ready to fight, don't lie, don't be afraid to die. I got a dream, cause I wanna fly to the sky. This world seems open and swing. My greatest game, root, root, just like, simple like me. My farmer family from the personality where was wrong. I got a chance for people who check my tradition as an destruction. I follow the voice of Jimmy as a solution for them. I got a power to punish all these motherfuckers. Ableist, or just wait my area. Don't worry, broad good greed, I got a nilla. In that true company, I'm just soldier. The soldier of was wanga. Equip the Jimmy Fonda. Dingiza, dingy dingiza. Jimmy Fonda. Mamazafa. sola. Hey. Massa what you me fonda. Han. Dingiza, dingi dingiza. Give me fonda. Ma wasa fa. Hey. Kucha mo gora gamba. Hey. Tupe se kano mora wasan si forufa. Le bon sola. Le bon sola. Hey. Massa what you me fonda. Yes. Naka naka ne, naka naka naka ne. Ama. Ala wadan nak shilala jay si mem landa fond. des fripouilles, des mecs sans bouille qui sans cesse mouillent. Le parcours de Salmagouille, mais ne sort pas de l'embrouille. Ne brûle ne se passe que que de la cour du ghetto. Et pas dans l'underground, bari bari bari yaro. Mon cassou de fou déjà la couille avec gros jimno. Kuno et kakishki na bala kuno, si je gros je un sira. Trop de nuit, très tôt, qui bouille, barbouille des textes. Patrouille sur des faces, mais très tôt, sur rouille, c'est pas sa faute sur place. Ketchup, des cambo fumu calvo. Des sirgi chim chim. Akala science infuse. Dans l'intermise du mic, la diffuse, je crois dis moi où nous uno Le combo, Repart à l'attaque, apporte un nouveau dilemme Un autre thème, Kimi Kimi Fonda Tu me, tu me Fonda Ça fait comprendre, c'est la cible c'est toi, lui ou peut-être moi Juste pour avoir craché, craché la vérité Kimi Kimi Fonda Dingue dingue Kimi Fonda Mama Safa, hey Regama Gorogama, hey Super Sagano, Mora, Wasan, Siforufa Les poissons sont là, les boss sont là Hey sœur moi je me fonda Dingue Give me thunder, my boss of hey. me coloca mal. Se você gana moral, se Les pensons là, les pensons là, ma savon je les condamne. Sauf tu en retrait, couvre le combo du Waswan. De la foule du hip hop made in Africa. Pas de se taire, encore mot de battre en retraite. Il est clair et net que je ne repousserai pas chemin, non. Pas celui sinon, Pas celui qui passe par le mic, non. Moi, Waswan, ah. le a Mukena. Le son a du Shima et mou. Bam, Somas, la même Tchegumi, le Kaya Kinti. De la voix du salut, je n'en sais je sais tout simplement que la fuite tombe dans un dates, d'état ça En tout cas moi je sais que dans le temps La belle nation d'hier elle ne réglait pas les comptes Aujourd'hui un gens qui vise des places se proclame démocrate, une fois en place, ils passent au reclément de compte. Ces ordures, on les arrête dans Roba, sont moutigaba Un peu Kintiki, Mouna, Wuchi, c'est Tchégumi. Faut d'apprendre à me taire, dès que je vis sur terre, et voir les choses pas claires, non, ma gueule se passe terre. est que Dingue, dingue, ça, tu Hey! se gano mora wa sanse foro fa le posola le posola masamo je fonda dingiza dingi dingiza give me fonda ma pasa fa mucho mo gora gama so se gano mora wa sanse foro fa le posola le posola masamo je fonda dingiza dingi dingiza give me fonda ma pasa fa mucho mo gora gama so se gano mora wa sanse foro fa le posola le posola masamo je fonda Nous sommes à la fin de notre émission. Le Niger sur Kalangou, vous étiez en compagnie de Rukwet Abdraman et moi-même Mariamade. Le rendez-vous est pris pour demain avec une autre présentation. N'oubliez surtout pas nos éditions en cinq langues à partir de 17h. Excellente journée à tous.